Dans la lutte contre le Covid-19, je lance cet appel à l'ensemble du monde sportif et plus particulièrement du mouvement associatif, surtout le Noétan, qui est représenté partout, dans les villages, dans les quartiers, d'engager cette lutte contre le Covid-19 et d'aller dans les maisons, dans les villages, pour porter la bonne parole. Les pratiques qui nous ont été indiquées par les autorités sanitaires pour que la population puisse pratiquer ces bonnes mesures et qui vont accompagner les autorités sanitaires à prendre le dessus sur cette pandémie. Le monde sportif à le patriotisme qu'il faut. Mais je voudrais que les responsables du mouvement associatif aillent au niveau de leur localité. Il y a des comités autour des préfets, des sous-préfets, pour que les autorités sanitaires au niveau local puissent être accompagnées efficacement pour la sensibilisation et je suis sûr que si cette sensibilisation est pratiquée, on fera face à cette pandémie. kon mbokk yi maa le mouvement sportif le mouvement Nawetan, pour que fépp pour ñu nekk xam nañ sport fépp la am ci village yi ak quartier yi ñu dem ci autorités sanitaires ak nangoo sensibiliser te xam ne bu ñu sensibiliser doomu aadama yi ñu doxee li autorité sanitaire yi wax dina doon lu am solo ci xeex bi nga xamante ne moom la ñuy xeex li nga xamante ne mooy jàngaro bi maa ngi leen di engagé ñoom ñëpp ci xeex boobu ñu jàppale leen ñu bañati koo def sax xeexu wax ci rajo nii rek wala ci télé waaye ñu def ko xeexu quartier xeexu village waxtaan ak nit ñi ñu moytu li nga xamante mooy dajaloo yi te lépp loo xamante ne waa kër docteur wax nañu ko ci jëm ci cet gi ñu doxe ko loolu dina am solo ci xeex bi nga xamante ne moom la Sénégal di xeex contre épidémie